je m'appelle Hassan Fati. L'équipe a bien débuté le match. Même sur les côté marquage, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais le reste est devant nous. On doit, on doit beaucoup entraîner pour gagner les autres matchs. On est trop content parce que ça nous permet d'avoir la compétition. parce qu'il y a l'organisation, il y a les arbitres, il y a tout quoi. On a bien joué, mais on nous a mené 4-0, mais ce n'est pas encore fini. Ça reste d'autres matchs et on va s'entraîner le coach là il va rectifier les erreurs. parce que lii daf ñuy permettre ñoom ñu am compétition ko ñun joueurs yi waaw parce que gis nañu am nañ organisation am na arbitre yaa ngi fi waaw ñun daal kontaan nañ quoi bu ñu amee bu ñu sañoon nag chaque année mi am chaque année am bi mooy première édition bi yàlla def na bokk nañ ci di si ñaan di si gën a bokk quoi. waaw te moom gagné nañu ba gagné nañu joué nañ bu baax moom mais gagné nañu waaw mais coach baa ngi nii dina xam erreur yi bu ñu demee terrain mu rectifier ko. su nous defee bon ñu le prochain match quoi ah, on débuté notre premier match de championnat avec l'Olympique euh, de Malika. Bon, le match s'est bien déroulé. En premier temps on avait les occasions pour. Euh, on a fait un bon match et on va continuer avec, Inch'Allah. Merci. Nous avons une rectification yu nous avons a def on allah mais quand nañ une bonne organisation bi parce que c'est la première édition bi avons dina dimbali xale ñu gën a lii quoi def ay compétition yu baax a baax te dina tax xale yi gën a organiser wu a gën a mën a dugg ci football bu baax a baax au niveau tamit banlieue bi xam nga loo manqué comme lu mel ni ay tournoi ay compétition comme nii dafa manqué carrément te boo xoolee en général bu njëkk bu daan joué dañuy joué ñaari championnat ñaari match ñetti match gars yi ne arrêté nañ championnat parce que xaalis amul. fait comme nous organisons tournoi nous permettre à jouer Bonjour donc euh, aujourd'hui euh, je tenais encore à féliciter euh, pour cette deuxième deuxième match deuxième affiche de la semaine. de la première journée. L'opposition euh, de Tiaroy contre nos amis de l'Olympique de Malika. J'ai vu un match rythmé. hélas une défaite pour, pour notre ami Issa. Mais je pense que ça va faire avancer son groupe et, le but de ce tournoi-là, c'est avant tout de sensibiliser nos jeunes à, à se préparer à ce qu'ils aiment tant, soi-disant le football. Mais le football a ses règles. Et les règles, c'est la discipline c'est le jeu en équipe et c'est tous les sacrifices qu'on fait euh, durant l'entraînement. Donc moi j'ai observé euh, ceci, j'encourage fortement mon ami et aussi euh, organisateur de cette ligue et voilà j'encourage tous les clubs. je reviens sur ce qu'il a dit, je ne peux que me féliciter de l'initiative qu'il a prise. Voilà, c'était la deuxième journée et nous avons perdu 7-4-0. Mais à l'issue des matchs, euh, comme je dis toujours, nous avons perdu, mais nous avons aussi appris beaucoup de choses. Nous avons gagné en apprenant ce qui nous manque. Il nous faut un peu de discipline, certes, mais bon, le meilleur reste à venir. Donc, on euh, remercie l'initiateur du tournoi. Vraiment, c'est une très bonne chose. puis, bon, on va apprendre. On va apprendre parce que c'est notre première participation. Et puis, on a des jeunes joueurs. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, laissons le temps au temps. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci. Vous ああ飲むええああ vai, vai vai, Antônio, vai lá. Vai, vai. É vai, vai, vai, vai, vai, é quebrou? É é Qual?